président de la république ak ay député suñu parewul voter ñu loi buy criminaliser l'homosexualité dinañu abal ci nii wala mu abal ci nee parce que bu dee Sénégal ñun ñoo ko moom ñun Sénégalais yi xale généraux yëpp signé nañ pétition bi Sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom signé nañ pétition bi bu dee président Macky Sall ak ay député ñun ñoo leen fal

nous devons rappeler que ce qui a fait que Ensemble a regroupé les Sénégalais, c'est parce que on s'appuie sur la parole de Dieu et sur la parole de l'envoyé de Dieu. Et nous voulons rappeler que dans le Coran, au niveau de la sourate numéro 24, verset numéro 19, le Yann subhanahu wa ta'ala dit ceci. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà, Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Abu Hurayra, un sahaba qui est connu dans la religion musulmane, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que voici quatre personnes qui chaque jour, matin et soir, provoquent la colère de Dieu. On lui a demandé, salam, qui sont ces quatre personnes Et il a dit, un, les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Deux, les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Trois, ceux qui font l'amour avec les animaux. Quatre, les hommes qui font l'amour avec des hommes comme eux. Nous voulons dire, chers compatriotes, que d'abord nous vous remercions pour avoir répondu si massivement à notre appel. Comme vous le savez déjà, nous nous sommes réunis ici aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lancer un message clair aux autorités politiques de notre pays. S'il vous plaît, Messieurs et Madame du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Vous semblez oublier qu'ici, au Sénégal, nous sommes un peuple de croyants, façonné depuis les siècles par l'esprit religieux qu'il soit de tradition musulmane ou chrétienne. Un pays attaché aux valeurs et aux vertus enseignées et défendues par tous les prophètes d'Adam à Mohammed, le sceau des envoyés en passant par Ibrahim, Moussa et Isa Mariama, que le salut d'Allah soit sur Des valeurs et non vertus, que donc sont des hommes pétris de spiritualité et d'humanisme, qui ont tout fait pour ce pays parfois jusqu'au sacrifice de nos vies pour les préserver au bénéfice du peuple. Je veux citer sans ordre de le vénéré Cheikh Oumar Lima l'imam Moulay, Cheikh Seydi Haj Malik, Mohamed Bamba Mbake, Abdoulaye Niass et tant d'autres, adeptes des premiers et descendants des seconds. Nous n'entendons pas laisser périr leur héritage en laissant passer ce qui est plus qu'une forfaiture, le déroulement d'un agenda on ne peut plus satanique. Adeptes des premiers et descendants des seconds, nous n'entendons pas laisser périr cet héritage. Chers concitoyens au pouvoir, vous semblez oublier que vous y êtes grâce à notre suffrage, que vous êtes nos mandataires et c'est donc exclusivement à nous que vous devez fidélité et à nous, à aucune manière que vous, devez fidélité à d'autres organisations comme nous. En vertu de ce statut, vous ne pouvez nous engager dans des politiques ou programmes qui sont totalement en porte-à-faux avec nos croyances, avec nos... système personne qui dérange je suis prêt à prendre beaucoup plus de recul pour bailler les ngeen def ko mais nak tout mais mais ma dénk leen rek li ma leen doon dénk fexe leen ba deug rek nek sen doole fexe len ba bu leen yab seen askan xam len ne ben patron rek lañu am moy le peuple sénégalais sen patron tuddul la Lamine un lieu de rendez-vous du donner et du recevoir un instrument de promotion d'une civilisation de l'universel respectueux de la diversité des pays qui la composent et soucieux de l'enrichissement mutuel pouvant découler de cette diversité. Au lieu de cela, elle a souvent fonctionné comme une machine au service de certains pays forts de leur puissance économique, diplomatique, politique et militaire pour leur désiderata. Au strict plan socioculturel, l'uniformisation est sans conteste un approvisionnement mais ben, quand elle charrie contre valeurs et pratique d'essence animale, elle devient agression et volonté d'avilissement. Pour nous, l'homosexualité, la confusion des genres et toutes les variantes subsumées dans le vocable LGBTQ sont des abominations qu'il est exclu d'acclimater dans d'autres pays, le Sénégal. Nous n'accepterons pas la propagation des LGBT au Sénégal parce que le Sénégal est un peuple de croyants. Nous avons jusqu'ici subi la mort dans l'âme, la promotion de pratiques aux antipodes de nos convictions religieuses, la prostitution, les jeux de hasard, etc. Mais avec la question de l'homosexualité, notre réserve de patience est complètement épuisée contre la volonté de la légaliser nous allons opposer celle de la criminaliser. Nous sommes conscients des enjeux de la question, du caractère stratégique qu'elle revêt pour, des, ses tenants, de l'opiniâtreté de ces derniers cas. il s'agit de réaliser les programmes concoctés dans les loges, dans les loges et les états-majors du mondialisme ambiant le nouvel ordre mondial. Mais nous saurons faire face, nous les Sénégalais. Nous avons la détermination possible et soutenable et souhaitable pour investir tous les fronts de lutte culturelle, politique, économique, sociale et religieuse. Nous avons pour cela la force sociale et politique qu'il faut, puisque c'est quasiment l'ensemble du peuple sénégalais qui refuse toute perspective de légaliser l'homosexualité, comme en atteste le nombre la qualité et le statut des signataires de la pétition. Nous rappelons que tous les califs généraux du Sénégal ont signé la pétition. Nous avons encore en mémoire les, trajectoires, les tractations sordides des années 60 qui ont abouti à l'imposition du Code de la famille de 1972, malgré le rejet quasi unanime des chefs religieux musulmans par le biais du Conseil supérieur islamique. Nous avons encore en mémoire le mépris affiché par la plus haute autorité de l'État à l'égard du code musulman de, statut personnel suite au travail sérieux et responsable du CIRCOF. Nous avons tiré les leçons de ces ratés du passé et nous, avons, nous allons travailler et nous travaillons depuis lors aux voies et moyens pour que des causes aussi fondamentales que celles du respect de nos valeurs culturelles et religieuses et de nos intérêts stratégiques de société. Aujourd'hui, nous exigeons deux choses. Nous exigeons des autorités politiques du Sénégal qu'elles respectent la volonté du peuple sénégalais. Un, qu'elles abandonnent cet agenda immoral et dangereux qu'ils sont en train de dérouler pernicieusement dans les secteurs essentiels et aussi sensibles que l'éducation, la santé, la culture, l'économie, etc. Deuxièmement, qu'elles adoptent d'urgence une loi criminalisant l'homosexualité. Enfin, que tout le monde se le tienne pour dit. Sur ces deux exigences, nous ne transigerons pas, nous ne reculerons pas jusqu'au péril de notre vie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. allahu akbar merci beaucoup jërëjëf